forces euh, de l'APR, toutes les forces euh, de l'APR, sans exception, aujourd'hui, euh, m'ont délégué, m'ont donné la responsabilité de, fédérer non seulement l'APR, mais de fédérer aussi les forces vives de Benobok Yakar en direction des élections municipales de janvier 2022. J'en assume euh, la responsabilité, j'accepte euh, cette délégation de pouvoir euh, pour parler avec les populations, parce que ce qui se passe dans la commune aujourd'hui défie tout entendement. Vous avez une commune où aucun des conseillers municipaux n'a accès aux comptes administratifs. Et on vote des budgets, et on en vote d'autres, et vous votez un budget, et vous ne savez, vous n'avez aucune idée de l'exécution du budget précédent. Ça, il faut que les, populations, pas seulement de Djeko d'Arclé, mais les populations du Sénégal le sachent. Aujourd'hui, la responsabilité qu'on m'a donnée, c'est de préparer, d'organiser l'équipe. Et euh, au soir euh, du 23 janvier 2022, que cette équipe soit gagnante. Nous nous préparons et euh, nous pouvons vous dire euh, que là où le président de la République, le président Macky Sall, indiquera, quand il indiquera le chemin, il, sait que la commune de paul derclé est prête. Euh, euh, je suis désolé parce que d'habitude je ne veux pas parler des gens, mhm. mais nous avons un maire qui, à la face des populations du Sénégal, a dit que j'ai confisqué les cartes d'identité. C'est moi-même qui les ai confisqués. C'est lui qui dit, euh, j'ai vu des gens, quand vous les voyez, vous savez qu'ils n'habitent pas la commune. Mais rien ne les empêche de transférer. Si vous venez aujourd'hui, vous votez en France, vous venez, vous prenez votre appartement à Paul derclay on vous donne un certificat de domicile, vous vous transférez. Quelle est la différence entre celui qui avait du Rufus, je n'aime pas utiliser, mais ce n'est pas bien de gérer une commune, que l'État vous délègue un pouvoir et que vous ne rendiez pas compte aux populations. Ça, il faudrait qu'on nous réponde pourquoi on ne donne pas le compte administratif. Qu'est-ce qu'on cache derrière ce compte administratif Merci beaucoup. mo ne mom mo jël carte d'identité ñaari nit parce que ñoñu yëmbal lañu dëkk waay mëna nañ dëkk Fongolembi bi mëna nañ dëkk Matam mëna nañ dëkk orefonde mëna nañ dëkk Ziguinchor mëna nañ dëkk Oussouye waaw ñooñu mënuñu mënuñu bindu fi képp kuy sénégalais yore carte d'identité mën nga bindu fu la neex yow bo ñëwé jël euh, euh, appartement fenn xanaa xëy na xaalis bi moo leen di moo lay kii kii am na xaalis kii amul mais man su ma jógee Oussouye ñëw jël apartement jëppal Derklé chef de quartier bi duma jox damay bindu carte bi Oussouye moo ci nekk loolu lu ko tere loolu dara terewu ko loolu benn la deuxième bi maire ci boppam moo taxaw ci tele yëpp ne ñii ku leen gis xam ne dëkkuñu fi

Sénégal yëpp mën nga fi jóge mun nga jógee sax Gambie am na ñoo xam ne Gambie lañ doon voté am na ñoo xam ne France lañ doon voté donc loolu du problème